Oui, l'ONG SOS euh, Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiales est une ONG créée dans la perspective de prise de conscience du phénomène de la violence et de la gravité de la situation d'une part, et d'autre part sur les moyens de remédier à toutes les formes de violence euh, dont sont victimes les femmes et les enfants au Niger. Donc, euh, depuis la création de l'ONG à ce jour, les femmes viennent, puisque eh, cette ONG s'est donnée comme mission de contribuer à la lutte contre toutes les formes de violence eh, en vue de promouvoir l'harmonie au sein des familles. Et du coup, eh, quand une femme est violentée, en tout cas la structure de référence qui la reçoit, c'est l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. La création de l'ONG à cette date, on a appuyé plus de 2000 femmes et enfants euh, victimes de violences. Les formes de violence euh, euh, dont sont victimes sont les suivantes c'est la violence physique, la violence psychologique, la violence verbale, la violence sexuelle par violence sexuelle, tout ce qui est harcèlement sexuel, viol, viol conjugal, euh, sont des cas traités ici au niveau de l'ONG. Il y a aussi la, violence économique, euh, la violence euh, politique. Il s'agit là des hommes qui empêchent à leurs femmes d'adhérer dans des associations ou bien d'adhérer à des groupements de femmes, d'adhérer à d'autres structures